Je m'appelle Mohamed Ali, j'ai 32 ans. Je suis employé dans un hôtel. J'ai fait la plonge et le nettoyage. Je suis payé 1000 francs jour. C'est une somme dérisoire qui me permet de prendre les taxis. Je ne sais pas si cette somme correspond à ma paye ou plus que ça. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé une augmentation. Ça me fait deux ans ici à Agadez un an passé à l'hôtel et un an dans les centres. J'ai envie d'aller travailler quelque part, mais le problème en est que je ne dispose pas de papiers. Je suis obligé de travailler, sinon je vais me retrouver dans une autre situation.